wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk ñu ngi di nuyu ci ak un immense plaisir di teew ci finale boo xam les organisateurs l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Toki tout d'abord permettez-moi de féliciter le président de l'amicale en l'occurrence M. Ibrahima vous avez fait un discours magnifique applaudissements M. Ibrahima je vous félicite mais aussi je félicite l'ensemble de vos collaborateurs c'est-à-dire tous les élèves et étudiants ressourçants de la commune. Moi, je suis aujourd'hui un produit de l'AMICA. Vous, vous pouvez être fier de vous-même à travers ma personne, car 12 ans après sa création, l'amicale aujourd'hui a un candidat à la mairie de Tokigar. Maximum d'applaudissements. Euh, di vous ma associer le wolof et le français car nous avons ñu fi nous duñ ko du sama bëss l'éminent professeur Abdou Ngom tàccu bu monsieur Abdou un collaborateur loyal mais aussi très disponible Abdou moo ñu mag lu Béré. bëri Waye Abdou daf ñu nangul daf ñu déggal Abdou nit ñi mën ko bañ xam parce qu'il est très discret il est très effacé mais Abdou c'est sunu fierté c'est seemu tooki qui qui qui ko jiite de fi mais c'est mon seen on a la chance d'avoir un fils du terroir boo xam ne moo koy jiite kon kooku bu wëlbatikoo nekk ci sunu vie, ñu ànd ak ay boroomi xam-xam yu bari je tout enseignants qui sont ici présents je peux citer Cersei Seydou le surveillant général du SEM de Tokigar, M. Aliouboui, M. monsieur Mbassa enseignant M. Damsar, enseignant la liste est loin d'être exhaustive cela montre à quel point la coalition Goryubès compte de ressources humaines capables de relever les défis du développement ndax ñu avons ne réew dëkk xam-xam moko ko yore amna am na lu ci yàlla cërale te loolu tey bu ñu di wax faaw ñu santé ko amicale nous avons été à la fac pour apprendre la pharmacie, le médicament. Mais le leadership, jàngale wuñ faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie le leadership dañ ko jàng ci merci beaucoup donc Ibrahima yen sen sas rëy na Cheikh sas nous ko mais placer la barre très très très haute Vous 12 ans après la création de cette structure aujourd'hui nous avons relever un challenge un challenge de jeunesse un challenge de développement après nous c'est vous il faut juste y croire Nous day am gëm-gëm nit day am gis-gis nit day am vision am ambition. N'est que zone de fatalité que zone de fatalité n'est pas un frein de développement président Abdoulaye Wad de dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai l'avenir de ton pays si on a une jeunesse médiocre on aura un pays foutu si on a une jeunesse de qualité on peut rêver mieux Salum ce sunu gëm-gëm sunu gis-gis kon bis Saloum devrait être à nos côtés mais malheureusement moi de dafa am contrainte de temps mais sachez que vous avez honoré toute la coalition Gorboubès à travers l'éminent professeur Moussa Abdou Ngom di Dylan sant mon histoire avec l'amicale voilà, ma relation avec l'amicale n'est pas une histoire de parrainage d'une finale. C'est un parrainage continu et perpétuel. maa ngi leen di talal loxo fu ma nekk ak fu ngeen nekk su xel mu ngi ci suma xol mu ci la ngeen fa daan dund xamna ko te xamna ne la gëna yokku mais je vous tends la main et ensemble on va relever les défis merci beaucoup merci